forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Contre-performance du 11 Nigérien, le MENA national, État des lieux et voies de sortie. L'équipe de football du Niger le MENA a déçu plus d'un Nigérien après sa défaite le 16 octobre 2-1 face à la Tunisie devant son public. Le MENA du Niger a subi une autre défaite le 19 novembre à Niamey, une raclée du 11 du Madagascar par 6 buts à 2 dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Une contre-performance qui de plus éloigne progressivement le Niger des grandes victoires alors que ses supporters attendent depuis de longues années que sonne la gloire. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu sur les défaites à répétition du MENA devant son public, les obstacles et les solutions envisageables pour son émergence ou sa renaissance. Nous avons donc le plaisir de recevoir la sportive Yamila Fergani qui soutient sans jamais se décourager les athlètes de toutes disciplines confondues. Jamila Fritjani, bonsoir. Bonsoir. Jibril Djambala Dinavajo, qui est un ancien joueur du MENA. Jibril Djambala Dinavajo, bonsoir. Bonsoir. Et Abdelaziz Isaka, journaliste sportif. Abdelaziz Isaka, bonsoir. Bonsoir, bien. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Jamila Ferjani, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2004, le Niger a gagné tous ses matchs à domicile, soit trois matchs, même celui contre la Guinée. Seulement euh, trois points manquèrent aux Nigériens pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2004. Quel sentiment après les multiples défaites du MENA, les unes plus lourdes que les autres devant son public ces dernières années C'est un sentiment de, désolation, de tristesse, mais euh, sans surprise, sans surprise parce que euh, euh, c'était prévisible. Nous ne pouvons pas faire. C'était prévisible comment ça Je veux dire, nous ne pouvons pas faire tout le temps les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Les joueurs, ils se battent, hein. ils se battent, mais la gestion des, des joueurs, toute leur vie de football, toute leur vie de compétition et tout, fait face à des difficultés des difficultés financières, des difficultés, euh, des difficultés de tout genre. Donc, euh, euh, je pense que c'est prévisible vu la manière dont on gère, généralement, dont on gère tout le sport ici au Niger. C'est prévisible. Est-ce que ce sont les ressources financières qui manquent, les ressources logistiques Tout manque. Il y a les ressources financières qui manquent. Euh, vous savez que le ministère des Sports n'a pas un gros budget pour le développement des, euh, des fédérations sportives. Au niveau des fédérations, même si la Fénifoot est plus, euh, elle est plus entre guillemets gâtée que les autres fédérations de par la FIFA, la CAF, etc. Le football nécessite énormément d'argent pour, pour se développer. Aujourd'hui, le football c'est de l'argent d'abord. Donc les difficultés financières sont là. Et en plus, il y a les problèmes, bien sûr, logistiques, les problèmes de gestion, il y a tous ces problèmes-là qui font que euh, c'est difficile de voir émerger. Euh, si on continue à, faire, à faire les mêmes, à copier les mêmes choses, c'est difficile de sortir euh, de ce bourbier. Yamila Frejani, avez-vous un plan puisque vous suivez depuis plusieurs années les athlètes nigériens Il y a D'abord, le, renouvellement, il faut un renouvellement de la, des joueurs. Des, équipes. Hein. Des équipes, exactement. Il faut un renouvellement des joueurs. Il faut travailler d'abord à la base avec euh, le développement de pépinières pour détecter des talents au niveau de tout le territoire nigérien. Il y en a. Et puis essayer, essayer de les, de les cadrer, euh, de les mettre dans un environnement qui convient quand je dis un environnement qui convient, c'est tout. C'est depuis, c'est l'alimentation, c'est l'entraînement, c'est l'encadrement, c'est l'éducation, tout ça, dès le jeune âge. C'est ce qu'on fait. Euh, toutes les équipes qui ont réussi dans le monde, c'est ce qu'ils font d'abord. Et maintenant, à partir, euh, à partir de là, prendre les meilleurs et euh, sans aucun parti pris, sans aucun clanisme, sans aucun pack, prendre les meilleurs et, et les faire jouer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut il faut vraiment que, que les ressources euh, financières soient là et qu'elles soient bien gérées pour faire de nos équipes les meilleures. Et ça aussi, à ce niveau aussi, il y a des problèmes. Et puis, bien sûr, le ministère des Sports doit s'impliquer plus dans l'encadrement des fédérations, dans la recherche des résultats, dans le financement des fédérations. Avec ça, euh, le, ministère des Sports doit être euh, le gendarme de tout ça et en même temps doit pousser doit impulser euh, ce mouvement. Et je pense qu'avec ça, euh, à ces trois niveaux-là, euh, je pense qu'on pourra changer les choses. Et comparé aux autres équipes de la sous-région, est-ce que le Niger n'est pas bien portant, le MENA n'est pas bien portant À une époque, oui. Mais là, dernièrement, avec, avec les résultats qu'on a vus, non. Moi, je pense que je pense qu'il n'est pas très bien portant. On a été surpris par la victoire des Malgaches ici, le 6-2, sur notre propre terrain. On a été surpris par les, différentes défaites le Niger ne sera pas représenté à la prochaine canne, c'est ça euh, Les jeux sont déjà faits, non Donc, euh, c'est difficile de remonter tout ça, alors que les, équipes de la sous-région, euh, elles sont là. je crois qu'elles sont plus elles sont plus favorisées que nos équipes. Quoi. Jibrilla Gambala, Navajo Pour la Coupe du Monde de 94, le Niger termina le premier tour avec une performance solide. Quatre matchs, 5 points, dont deux victoires contre le Botswana et un match nul face à la Côte d'Ivoire. Mais un point manqua au Nigériens pour atteindre la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le Niger manqua le tour final. Comment expliquer cette contre-performance aujourd'hui vous savez, la contre-performance euh, d'une équipe, euh, c'est pas tellement facile à la détecter, mais au Niger, ils pensent que tout est facile. Il suffit de gagner un seul match et ils laissent tomber les entraînements. C'est le travail qui paie. Hein. Je voudrais qu'une fois, euh, les journalistes sportifs qu'ils fassent en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, voir les entraînements de leur équipe nationale, vous allez voir, il y a une très grande différence entre le travail fait chez eux et chez nous. Parce que la condition physique, on ne peut pas la payer. On la travaille. Et tous ces derniers temps, vous voyez, le MENA ne joue que 45 minutes, à peine. Et lamentablement, quand vous avez une crise cardiaque, vous mourrez à la 60e ou à la 55e minute, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas tenir. Parce que quand vous prenez le match de Madagascar, là, les Malgaches, là, ils ont souffert 48 heures cours dans les aéroports, les avions sont venus. Ils n'ont pas pu s'entraîner la veille. Vous pensez qu'une équipe comme ça doit. Mais ça veut dire qu'ils ont trouvé un bon terrain. C'est ce qui signifie qu'au Niger, nous avons. Euh, tout ce que nous avons mis, c'est les infrastructures sont là. Des bons terrains. Mais quand il y a des bons terrains, il n'y a pas de bons joueurs. Comment voulez-vous Mais il faut les travailler. Madame a parlé de la base. Effectivement, en notre temps, il n'y avait pas de cadet minime junior. Il y avait équipe A équipe B. Et il n'y avait pas de moyens. Je ne sais pas avec tous ces moyens. Comme vous dites, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Vous savez, une équipe nationale, quand on n'a pas les moyens, la base, c'est avoir confiance aux locaux. Vous les suivez pendant tout le championnat et vous faites une sélection d'abord, une présélection des joueurs. Quand vos soi-disant professionnels viennent, c'est à eux de chercher leur place. Parce que vous n'avez pas les moyens d'aller sur le terrain pour voir qui joue, qui ne joue pas. Oui, vous avez le numérique, c'est bien bon. Le gars ne joue pas, il a le nom seulement. Donc, il va tenir peut-être 20-30 minutes. Donc, gardez-le à la touche. Mais tant que vous voulez une équipe nationale, si, quand vous dites qu'il y a un point qui manque, tout est calculé chez les autres, chez les adversaires. Tu perds les points chez toi. Tu ne pourras pas prendre ces deux points, les trois points à l'extérieur. Parce que c'est en comptant les points de les trois matchs à points que tu arrives à faire un match nul ou une victoire à l'extérieur pour te hisser. Donc, euh, vous perdez déjà deux points, deux matchs à domicile. Vous pensez battre qui chez eux Et ces gens travaillent mieux que vous. Ces gens ne pleurnichent pas, soit disant les, moyens, les moyens. On n'avait pas de pro. Vous savez comment se fait d'abord une sélection dans le temps Expliquez-nous. Mais oui, c'est les entraîneurs qui désignent dans chaque région, comme madame a dit, dans les régions, on désigne deux ou trois joueurs, les meilleurs joueurs, qui se retrouvent à peu près à 45 joueurs et qui font deux semaines de compétition et les entraîneurs sont là pour détecter les meilleurs et ils sont mis en stage d'un mois. Vous voyez comment les gens ne travaillent pas. Tu ne peux pas travailler dans le privé pour jouer en équipe nationale dans le temps. Aujourd'hui, les joueurs sont payés, ils ont tout le talent, ils ont les moyens. Mais l'équipe nationale, où tu te sacrifies, où tu n'as pas ta place. Parce que c'est la place, c'est une concurrence. Aujourd'hui, les places sont là. Le, le président de la fédération, l'entraîneur, le directeur technique peut amener un joueur. Les journalistes sportifs ne le connaissent même pas. On vous dit qu'il est venu de la Chine ou de, l'Australie ou quoi. Il a fait quel match Il a fait quelle preuve Alors que le monsieur qui fait le championnat, en tant que condition physique, vous le voyez, sa capacité, tout ce qu'il a. Vous savez, hein, il y a la solidarité, il y a l'esprit de sacrifice, mais il y a la discipline qui est la base primordiale. Et aujourd'hui, la discipline, il n'y en a pas entre l'encadrement et les joueurs, entre l'encadrement et les dirigeants. Il n'y a pas cette discipline. Personne ne se respecte selon vous, c'est le travail qui manque et non les moyens C'est le travail qui manque, je vous dis. C'est peu de moyens, il faut savoir les utiliser. Mais je viens de le dire, vous, vous, construisez une villa et vous avez 10 souris dans la villa. Vous amenez un chat qui joue avec les souris. Mais vaut mieux manger le chat et mettre des pièges. C'est très simple. Vous, vous offrez des, bons terrains à l'adversaire qui joue mieux que vous. Mais vous êtes mort de bons terrains, ça veut dire oui, on a construit des terrains, on a construit des villas, euh, des, centres, on a construit une fédération qui Mais où sont les, les, joueurs Ces joueurs-là, le peu qu'il y a, il faut les mettre à leur disposition. Ça veut dire qu'il faut un suivi. Aujourd'hui, vous faites un coup à texte, ils le font, je crois, à la télé ou à la. Je ne sais pas, le monsieur le journaliste euh, sportif est là. Nous, le coup à texte, c'est physique. Il y a une course de 12 minutes. Tout ça, ils ont laissé tomber. Et les entraînements le matin, 2h, Aujourd'hui, ils jouent avec des plots. Mais non, ça, c'est les équipes qui sont avancées. C'est quand tu pars à la Barcelone ou au Real ou à Paris Saint-Germain qui osent le faire. Ils ont à peu près dans la semaine trois matchs. Et nos matchs ici, les trois matchs que tu fais, les deux matchs que l'équipe, une équipe comme le Sahel ou bien l'Olympique fait, il doit jouer à Zender, à Maradi d'abord et continuer à Zender. Avec quelle prime 1000 francs ou 2000 par jour. Il va jouer 90 minutes. S'il revient, s'il doit jouer à Tawa, il va jouer à, Arlit. Vous pensez que c'est bénéfique pour euh, le corps Non, ils, sont fatigués. Ils sont épuisés même avant d'attaquer le Bénin ou le Togo ou le Burkina. Il y a cette différence. Donc ce qui est bon, c'est de prendre, vous n'avez pas de moyens, la meilleure des choses pour avoir une équipe nationale sous les yeux et qu'on peut au moins se contrôler, c'est de faire une équipe nationale locale. Tous les joueurs du championnat, les meilleurs sont regroupés et maintenant les mettre quand vous avez vos professionnels, c'est à vous de les choisir Mais laissez-les avoir de la place. Non, on ne dit pas parce qu'il est venu de Paris Saint-Germain, il doit jouer. Non, c'est à l'entraîneur de faire un, deux matchs. le problème n'est qu'ils veulent jouer avec eux. Peut-être euh, c'est une équipe nationale, c'est le MENA. Mais ce n'est pas une honte que le MENA joue avec euh, l'équipe euh, de Zender et Maradi, une sélection. Non, le fait c'est de jouer. C'est ce que si l'entraîneur il était là, j'étais d'accord. Il dit laissez-les jouer. C'est à force de beaucoup jouer qu'on a guéri sa technique, sa passion, c'est tout. Djibril Djambala, avant, l'esprit patriotique était la seule arme, la seule motivation qui guidait les joueurs de l'équipe nigérienne de football. Comment expliquer ce regain de désintéressement ou encore le déclin constaté Je n'ai jamais su, dans les années 74, je jouais au secteur 10, quand Kountché a fait son coup. Je n'ai jamais su que Kunche était euh, amoureux du football ou du sport. Mais à ma grande surprise, en Coupe nationale, je vois le président de la République stade. Lui-même en personne. Lui-même en personne. Au stade. Il remet la coupe. À ma grande surprise, le président Kounché demande une équipe nationale. On lui dit que l'équipe nationale est dissoute en 75 par mon grand frère colonel Idriss Harouna. Et maintenant. C'était pourquoi Une défaite. On gagnait 2-0 contre la Guinée. Le gardien Salaou, ayant eu peur, il a dit qu'il est malade. On l'a amené à l'infirmerie. À l'heure où l'allée est rentrée, on a pris 4 buts. Et Salahou, après le diagnostic de du médecin, on dit que non, il n'a rien. On l'a enfermé. L'équipe est partie. Le match retour joué en Guinée, on a pris trois buts. Mais il a gardé. Parce qu'on l'a amené en Guinée, il a gardé. Et c'est en ce moment qu'on l'a nommé caporal, chef. Il était caporal, on a mis le chef. Parce que les journalistes guinéens ont dit, sans ce gardien, le Niger allait prendre au moins 7 ou 10 buts. S'il n'était pas sorti au Niger, on allait gagner ce match. On menait 2-0 à la mi-temps. Et le fait qu'il soit sorti, c'est ça le patriotisme. Et c'était militaire. Donc Idriss a dissous l'équipe nationale. Et ce n'était pas le ménage hein, c'est l'équipe nationale. Nous avons fait trois ans. Moi, en 76, j'étais au salon, on m'a affecté à au sofa collé. Il y avait l'entraîneur Inoussa qui était là-bas. Et les Chinois voulaient construire le stade Séni que vous voyez là. On demande à la troupe artistique d'aller représenter le Niger. Kuntié dit, mais c'est pas artistique, c'est du sport, c'est le football, c'est un terrain de football, mais qui peut y avoir de l'artistique dedans. Où est l'équipe nationale On dit qu'elle est dissoute. Il dit, mais comment faire Il dit, bon, cherchez-moi des joueurs dans tous les sept départements, c'était départements, et vous les ramenez à Niamey, vous me faites une équipe et vous les mettez en stage et ils vont en Chine. J'ai besoin de 18 joueurs. Voilà. Et c'est comme ça l'équipe nationale a été mise en place avec un stage d'un mois à Tawa. Donc, on a fait une équipe A, B, C, D, 45 joueurs. Sur les 45, 25 ont été retenus. Les 25 sont partis à Tawa. Un mois de stage, au retour, les 7 ont été éliminés, les 18 sont partis en Chine. Et sur les 18, vous avez, c'était au niveau des militaires qui avait plus de joueurs. Tu sais pourquoi Parce qu'ils étaient plus en condition physique. Ils avaient le temps de s'entraîner et le matin et le soir. Nous, on ne s'entraînait que le soir à 18h dans nos clubs, donc à la descente. Donc il y avait 5 joueurs dans, l'équipe euh, militaire, 7, 4 joueurs du Zumunta et de, de, de l'Espoir, 3 joueurs de l'Olympique et le Zunta avait deux, le Sahel avait deux, Agadez avait un joueur, deux parce que l'entraîneur adjoint était l'avant-centre d'Agadez. J'étais de Dosso. Le DE Maman Hassan était de Tawa. Ça fait 18 jours. Donc vous voyez, le patriotisme, ça vient des dirigeants d'abord. Aujourd'hui, vous n'avez pas un ministre qui aime le sport. Si vous n'avez pas un ministre qui aime le sport, je ne sais pas ce ministre, je ne le connais pas moi. Mais comment voulez-vous que le sport puisse être développé Il doit se rendre au chevet de ces jeunes que ce soit des footballeurs, des basketteurs. Il doit mettre quelqu'un qui doit suivre ces jeunes-là. Et il doit avoir chaque fois un conseil qui lui fait un rapport. C'est pas quand il y a un match officiel ou bien une coupe ou bien quand on doit faire sortir l'argent que tu vois tout le monde sortir, venir faire son bruit et préparer. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas ça. Aimer son pays, la patrie, c'est, tu, peux, tu peux mourir d'abord sur le terrain. Mais les gens sont cochés, ils veulent la facilité. Alors, Gibril Djambala, pour vous, est-ce que c'est normal de demander des primes avant de venir jouer un match C'est une honte. C'est une honte. Demander quelle prime C'est ça le problème, vous allez demander quelle prime. La prime, elle se mérite. Parce que c'est en fonction du, résultat que la prime sort. Vous pensez que, c'est ça que je vous dis au niveau des dirigeants, vous pensez que quelqu'un, même le ministre de la jeunesse, pour demander à Kunche 100 francs pour donner à un joueur. Mais il est trop petit. Comment il va, demander de l'argent pour donner à un joueur Ça ne se fait pas. On n'a jamais demandé de l'argent, nous. Jamais de la vie. Le premier match que nous avons gagné, après, en 78, je te dis, l'équipe nationale a été encore dissoute. Ce n'est qu'en 79 qu'on a demandé l'équipe nationale. Donc, on était parti un an, on était en hibernation. Et en 79, il y avait le tournoi de l'entente que Oufot Boigny a demandé. Le tournoi de l'entente. Et je peux te dire là où est la coupe. Elle est au Togo. C'est un seul match qui a eu lieu et c'est fini. L'entente était dissoute. Et c'est en ce moment que Kunti a demandé, mais où est l'équipement des dit, Il dit, ramenez-moi ces mêmes joueurs. Et on nous a ramenés. On est parti à Dosso faire trois mois avec le colonel Adam, Adam, Haruna. Trois mois. Il y a eu plus de 47 joueurs qui ont défilé à Dosso. On s'est retrouvés à 27. Sur les 47, les 20 ont fui. Ah, je te dirais quelques noms si tu veux, il n'y a pas de problème. Les Pelé, l'Axassi, les Nadado, les Girsi, tous ont fui parce que c'était difficile. Il fallait faire au moins 10 ou 15 kilomètres par jour, <laughs> revenir s'entraîner. On était devenus des militaires, vous voyez, c'est ça le patriotisme. Et les primes que vous parlez, il n'y avait pas de primes. Donc, arrivé à Abidjan, on s'est classé troisième au retour. Kountier, je nous a fait un geste. Il avait remis à chacun 100 000, 100 000. On était étonnés. On n'a jamais pris. Mais on avait une prime de match nul 5 000. Match gagné 10 000. Et les primes de semaine, c'était 2 000 francs. Voilà. Et on, on a reçu 100 000. C'était beaucoup. Ça représentait comme plus d'un million ou 10 millions. Et tu me vois, moi, avec 100 000 à, à mais j'étais, j'étais dans les anges. Donc, euh, la prime se mérite avec les matchs. Et ça a continué était vraiment. On n'avait pas le temps de demander. on n'était on n'était pas logé dans des hôtels. C'est ça le patriotisme. On était logé dans les écoles et les samarias. Pour la première fois où on devait jouer contre l'Algérie, on nous a logés à la commune 3. Elle était libre. C'était le consulat du Sénégal. Et on, on était logé là-bas. Tu sais pourquoi C'était parce que c'était à côté du, champ de course. Il fallait faire 5 tours. 2000 mètres, 5 fois, ça fait 10 km. Et revenir Abdelaziz Issaka, pour la Coupe euh, du Monde 2006, le Niger n'est pas arrivé à passer le premier tour des qualifications, éliminé par l'Algérie sur euh, le résultat cumulé de 7-0. À quand remonte le déclin du football nigérien il suffit qu'on vous suive un peu et qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'histoire du football au Niger. En réalité, si l'histoire du football au Niger il a existé, ça n'a existé qu'à l'échelle du Niger. Il faut que nous l'acceptons. À chaque fois, vous dites, il manquait un point pour se qualifier, il manquait trois points. Il a, fallu que l'Algérie nous élimine. Ça veut dire qu'on n'a jamais participé à rien. Ça veut dire qu'on n'a jamais réussi à arriver à quelque chose de bien. Et ça, il faut que nous, nous reconnaissons cela. On compte avec les pays qui se qualifient. On compte avec les pays qui gagnent, qui ont des trophées. On compte avec les pays qui font leur preuve dans les compétitions. Et le Niger n'a jamais été présent, malheureusement, toutes ces années-là, jusqu'à très récemment où on a pu accéder deux fois à, la, Coupe d'Afrique des Nations. On a également réussi à se qualifier quelques fois au Chan, trois fois si ma mémoire m'est fidèle. C'est à partir de là-bas que je pense qu'on a, on a commencé à avoir une histoire du football nigérien. Parce que c'est à partir de ces moments-là que le Niger a commencé réellement à être dans le concert des nations qui jouent au football, à être représenté dans des compétitions sportives. Mais en réalité, il faut reconnaître que le Niger n'a eu que ce que le Niger mérite. Moi, je, je suis déçu de voir que le Niger n'est pas classé parmi les meilleures nations du football au monde. Mais j'accepte cette position parce que je sais qu'au Niger, on ne travaille pas pour être dans le concert des nations qui gagnent. Très malheureusement, on n'a pas de politique sportive au Niger. Nous sommes qui en sport et on veut devenir quoi demain Les pays qui réussissent là, ils ont un projet, ils ont un programme. Ils savent comment investir l'argent. On dit que c'est le financement qui manque. Le financement de qui C'est l'État qui doit prendre en charge le, le, sport D'accord. À combien de pourcents Parce qu'aujourd'hui, le sport n'est plus ce que le sport était au temps des Gambala, malheureusement. Aujourd'hui, le sport, c'est une entreprise, c'est des investissements et avec des retours sur investissement. Aujourd'hui, les responsables de clubs doivent comprendre que les équipes de football, les clubs sont des entreprises qui génère de l'argent. Le patriotisme dont vous parlez tout à l'heure là, ça ne, ce n'est plus le moteur des choses aujourd'hui. Les footballeurs sont des professionnels. Ils vivent de ce métier-là, ils vivent de leur art. Et on doit les payer, on doit leur donner des primes. Parce que c'est de ça qu'ils vivent et ils doivent préparer leur retraite également avec ça. Alors, il faut comprendre que tout le problème du sport au Niger, que ce soit le football et les autres disciplines, c'est l'absence de politique de sport l'État n'a jamais investi dans le sport comme l'État actuel a investi dans le sport. Mais quand on vous dit c'est que le président actuel a <laughs> injecté dans le MENA national et que le Niger n'arrive même pas à se qualifier à, Donc, selon vous, c'est un, problème de gestion un problème, oui, c'est un problème de politique, en fait, je dis. C'est un problème de politique, de gestion. Gestion des ressources humaines, gestion de ressources à financières. à tous les niveaux, à tous les niveaux. Parce que nous avons un problème au Niger on ne veut jamais se préparer. On ne fait jamais de programme. On attend la veille des éliminatoires pour, pour une, équipe nationale et prendre un sélectionneur qui vient à quatre jours du début de la compétition, qui ne connaît même pas les joueurs. Et c'est lui qui va faire jouer ces joueurs-là. Comment C'est pas un magicien. On ne peut pas se développer comme ça. Tout ce qu'on réussira à faire, c'est arriver à faire quelques exploits. Selon vous, les gens ne font que tâtonner. On ne fait que tâtonner on ne fait que tâtonner. Il faut que nous revenions, organisons correctement notre football et nos différentes disciplines sportives si nous voulons réellement que dans le monde du sport, on compte avec nous. On ne peut réussir à faire rien de grand comme cela là. Il faut que nous l'acceptons. Abdelaziz Saka, en 2011, le Niger décroche sa première qualification en Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu l'Égypte, euh, l'Afrique du Sud et la Sierra Leone à domicile. Il faut aussi noter que l'Égypte était alors la meilleure équipe africaine, triple championne. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché Pour qui Pour le Niger Oui je pense que ça a marché pour le Niger parce que le Niger s'est qualifié. Ça n'a plutôt pas marché oui, après, les deux qualifications. Voilà, je vais vous dire, euh, euh, de la qualification de 2011 là, on peut déjà tirer deux leçons. La première leçon, c'est que le Niger a réussi à se qualifier pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique. Comment c'est arrivé C'est pas arrivé la veille de la compétition. Il y a eu une préparation en amont. Rappelez-vous, Frédéric avait ces jeunes là depuis les Frédéric Acosta. Acosta. Il les avait depuis les Cadets. Il a réussi à les faire qualifier à la Coupe du Monde, euh, à la Coupe d'Afrique des Cadets. C'est le même groupe. D'abord, il les avait, il les a travaillés, il a réussi quelque chose de grand avec eux. Ils sont partis à la Coupe d'Afrique des Cadets. C'est l'ossature de ce groupe-là qui a servi de base pour l'équipe nationale qui a réussi à se qualifier. Donc le Niger ne s'était pas qualifié en 2011 par hasard il y a eu un travail en amont qui a été fait pour que le Niger puisse se qualifier. Donc ça veut dire que les gens ont relâché par la suite non, en réalité, même le travail que Frédéric Acosta a fait, il n'a pas fait dans les règles de l'art, il n'a pas fait comme ça se devait. Mais les Nigériens ont accepté à partir de cette époque-là qu'il fallait revenir sur des jeunes qu'il fallait préparer pour pouvoir se qualifier à cette compétition-là. Préparer la relève non, pour, pour l'objectif de la compétition des cadets. On a travaillé, on a réussi. Après, on s'est dit, bon, si on réussit ça, c'est qu'on peut espérer également quelque chose de grand. On travaille encore mieux avec l'ossature du groupe et on réussit encore quelque chose. Après, l'équipe réussit également à, à, à se qualifier quelques années après, parce que c'est l'ossature du groupe qui réussit également à se qualifier à la deuxième canne de l'histoire du Niger. Mais après, les gens sont, sont, fatigués. Le groupe-là est fini. Il faut la relève. Mais elle est où Elle n'existe pas. Parce que nous ne faisons pas la formation à la base. Il faut que nous comprenions quelque chose. Les pays que nous rencontrons là, c'est des pays où le football est organisé, où il y a des minimes, il y a des cadets, il y a des juniors. Les minimes d'aujourd'hui deviennent des cadets, de, demain, demain, les juniors, les seniors. Et après, il y a des générations qui suivent. Ça fait que à chaque fois, on a le joueur qui a fait minime, qui a fait cadet, qui a fait junior, qui vient à Seignan, c'est un joueur mûr. C'est un joueur qui a été véritablement formé, qui a eu toutes les leçons nécessaires à la pratique du football. Au Niger, il n'y a pas de championnat mini. Il n'y a pas de championnat Le Championnat junior, s'il y en a, c'est le championnat de deuxième division, qui se joue sur combien de journées Huit journées au plus. Vous allez me dire, un joueur qui, dans sa carrière, a géré, avant d'être euh, à l'équipe nationale, 180 matchs, va jouer demain dans une compétition ou pour, pour, pour, une compétition avec un joueur qui, dans toute sa carrière, n'a pas joué 20 matchs. On peut les comparer est-ce qu'il y a match Est-ce que, est que pour le joueur qui a géré 100 matchs et plus, est-ce que celui qui a joué 10, 15 matchs, c'est un adversaire C'est pas un adversaire. Il est plus expérimenté, il est mieux aguerri. C'est ça le problème du football du Niger. On n'a pas de formation à la base, on n'a pas de compétition à la base. Et surtout, on n'a pas de culture de football. Parce qu'en réalité, dans d'autres pays, si nous prenons même le cas des, pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, vous savez qu'au Mali, il y a eu une crise au niveau de la fédération pendant plusieurs années où il n'y avait pas de fédération. Mais le Mali était présent dans toutes les compétitions. Toutes les compétitions. Pourquoi Parce qu'il y avait des centres de formation qui formaient. Il y avait des problèmes de politique, mais en réalité, en bas, on joue au football. Mais au Niger, on ne joue pas au football et on espère que la fédération ou le gouvernement trouve la magie pour nous faire qualifier. Ça ne se fera pas. Il faut que nous revenions jouer au football. Et jouer au football, ça veut dire quoi Ça veut dire que les clubs doivent accepter d'être des clubs, former des joueurs et les vendre. Pas des clubs, je représente le quartier, la course, ou je représente les forces de défense et de sécurité. Ça, n'est pas un club, ça. Ça, on ne fait pas du football comme ça. Le football aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une entreprise. Je forme des joueurs, je les vends je gagne de l'argent, le joueur se développe. Mais si je ne fais pas ça, je ne fais pas du football. Donc, en définitive, ici, nous ne faisons pas du football. Et nous, hommes de médias, journalistes, nous faisons beaucoup de mal à ce football-là. Beaucoup de mal au sport du Niger. Ah comment ça Parce que nous communiquons comme ça. Le Niger va en Côte d'Ivoire. Le Niger se fait battre 1-0. On revient, on dit Oh là là, les jeunes, ils ont joué. Quelle défaite honorable. Il n'y a pas de défaite honorable. Une défaite, c'est une défaite on doit gagner. On est parti pour un résultat. On n'a pas réussi à faire un résultat. C'est un échec. Il faut qu'on l'assume. Les joueurs sont allés en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu 1-0. Ils sont revenus au Niger, applaudis en héros. Et c'était au stade général seine face au Madagascar. On n'a pas perdu le match face au Madagascar parce qu'on n'avait pas les moyens de gagner cette équipe-là. Avec de l'envie, on pouvait les gagner. à domicile À domicile. Avec de l'envie, on pouvait les gagner parce que c'est des joueurs, c'est des hommes. 11 hommes contre 11, l'envie, la volonté nous permettrait de les gagner. Mais on était venus, nos joueurs étaient venus en vedette. Ils étaient venus pour communier avec leur public. Ils étaient venus célébrer le statut de héros qu'ils ont conquis en Côte d'Ivoire. La défaite. La défaite. <laughs> Avec une défaite. On dit, oh, ils, ils ont été extraordinaires. Alors qu'ils n'avaient même pas joué au football. Ils avaient défendu pendant 90 minutes. Et nous, nous avons dit dans la télévision, sur les radios, waouh, ils ont tenu tête à la Côte d'Ivoire alors qu'ils étaient revenus avec une défaite. Alors, si nous n'acceptons pas de revenir réellement travailler, sinon, je vous jure que moi, je, suis étonné quand on dit au Niger euh, euh, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de ressources financières. Je suis étonné parce que rares sont les pays en Afrique, même la Côte d'Ivoire, qui ont des infrastructures comme le Niger. Dans toutes les régions du Niger, nous avons des stades, et pas n'importe lesquels. Tu vas à Dosso, tu vas bien jouer au football. Tu as un très bon terrain de football pour jouer. Tu vas à Difa, tu as un très bon terrain de football pour jouer. À Agadez, pareil. À Tawa, pareil. À Tilaberi, pareil. Seul le Niger donne ce cadre-là. Au Niger, on a deux gros stades. Je n'ai pas fini. On a tout ça là. D'accord Ok. On a ces infrastructures-là. Regardez euh, ce que la Fédération nigérienne de football fait. Avant, l'avènement de cette fédération. On a connu le football au Niger. Moi, j'ai l'habitude d'aller voir les aînés, parce que j'ai joué aussi au football, d'aller voir les aînés ici au village chinois. C'est là-bas qu'on les mettait au vert. C'est là-bas qu'on les logeait. Aujourd'hui, les gens sont à l'hôtel Gawé. Aujourd'hui, il n'y a pas de footballeur au Niger qui n'a pas au moins une villa, qui ne circule pas dans un véhicule. Il n'y a pas qui joue à l'équipe nationale. Il n'en a pas. Et il n'arrive pas à produire de résultats. Pourquoi ça nous dit qu'on investira les moyens qu'il faut investir tant qu'on ne reviendra pas aux fondamentaux, à la base, former réellement ces joueurs là Tant qu'on ne mettra pas les responsables des clubs devant leurs responsabilités de formation de joueurs, on ne réussira à rien faire. Yamila Farjani, quelles solutions alternatives préconisez-vous les, solutions alternatives, euh, je reviens sur ce que euh, disait euh, Abdelaziz Issaka. C'est la première chose, c'est d'avoir un agenda, mais à un niveau national d'abord, parce que tout le problème à la base qui est ce manque de, de championnat, de formation et tout, euh, je suis désolée, mais c'est des, des, choses qui demandent des financements. Aucune fédération ne peut, ne peut financer ça elle-même. Et les clubs encore pire. Donc il faut un agenda. Il faut un agenda du ministère de tutelle pour les formations à la base parce que c'est des centaines de jeunes qu'il faut encadrer, qu'il faut alimenter, qu'il faut suivre, euh, qu'il faut éduquer. Euh, donc cette alternative, c'est la première, c'est d'avoir vraiment un agenda pour le développement du sport au Niger, ce qu'on n'a pas. Est-ce que les sponsors aussi ne font pas défaut Les sponsors, c'est des entreprises qui ne donnent rien pour rien. Rien pour rien. Rien pour rien, c'est-à-dire C'est-à-dire que s'ils sont convaincus qu'en donnant, en sponsorisant une équipe, qui vont avoir un retour, ne serait-ce que par le nombre, par exemple, de spectateurs dans un terrain, par le nombre de compétitions, par le nombre de compétitions à l'international, où leur, leur logo ou leur, leur bannière est, visible euh, sur les médias et tout, ils vont faire, euh, ils vont faire le geste. Mais quand, euh, quand c'est pour... pour associer le nom de leur société à une rareté des matchs ou à une défaite, ils ne le font pas. Eux, ce pas des enfants de cœur, les entreprises. Mais quand ils sont convaincus, euh, ils y vont. Ils y vont. Euh, quand j'étais présidente de la fédération de basket, j'ai réussi à avoir 12 sociétés qui ont signé avec 12 euh, clubs le financement, un financement mensuel pour la prise en charge des joueurs, leur entraînement, leur habillement, leurs soins, leur transport. et en contrepartie, ils demandaient d'être visibles sur toutes nos, tous nos événements, nos activités et tout. Et ils étaient visibles, on avait leur bannière et on n'arrêtait pas. On n'arrêtait pas de faire des entraînements, des championnats des, euh, sur toute l'étendue du territoire, ce qui a fait qu'ils ont, ils ont accepté. Quand ils voient un retour, les sponsors, ils, euh, ils, ils y vont, mais sans retour, ils n'y vont pas. Si c'est pour des défaites, ils n'y vont pas aussi. Voilà. Donc l'alternative, c'est d'avoir un agenda. Et euh, avec cet agenda, on peut avoir les sponsors qu'on veut les sponsors dans d'autres pays, et, ils, donnent des fonds énormes. Ils encadrent, ils sont là aussi. Ils surveillent, quoi. Parce que quand ils donnent leur argent, ils veulent un retour. Donc ça oblige un peu, euh, ça oblige à mettre euh, sur pied la conscience des, dirigeants du sport. Et tout ça, euh, c'est vrai, vous me dites que l'État a beaucoup donné, cet État, ce régime a beaucoup, a beaucoup financé, mais quand vous financez énormément et que vous ne contrôlez pas après et que vous n'avez pas la main mise sur tous les financements que vous pouvez mettre, ça n'atteindra pas ses, objectifs. C'est clair. Donc il faut de bout en bout. Et ça, c'est le rôle d'un ministère des Sports. Pour moi, c'est le rôle d'un ministère des Sports de coiffer tout ça, de demander des comptes. Mais en même temps, ok, financer, d'accord, mais demander des comptes, faire le gendarme. Et c'est comme ça qu'on peut avoir cet agenda. C'est comme ça qu'on peut développer le sport. Est-ce que les supporters assistent au match au Niger Les supporters, ils sont blasés. En fait, ils, ont, euh, ils ont toujours eu cet engouement au départ. Et ils aiment tous leurs équipes et tout. Et quand ils voient que c'est que des défaites, ou bien quand ils voient que c'est euh, c'est pas bien, euh, c'est pas sain, etc., ils ne viennent plus ils ne viennent plus. Nous, on remplissait, pour nos, petites compétitions de, basket, on remplissait le palais des sports. On le remplissait, on n'avait même plus de place pour recevoir les gens. Et parfois, c'était 500 francs l'entrée, mais c'était plein, plein, plein. Et pourtant, le basket n'est pas la première, euh, la première discipline, <laughs> C'est la troisième ou la quatrième. Donc, pour vous dire, euh, quand les gens, quand les supporters sont convaincus que du bon travail est en train d'être fait, ils sont là. Jibril Djambala, euh, quelle peut être la contribution des anciennes gouloirs du MENA pour relever les défis Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relever les défis Merci beaucoup. Je voulais vous demander aussi, monsieur, un, monsieur comme euh, Moussa Kamfideni dit qui fait 30 ans dans le bâtiment, il est à la retraite, qu'on amène à la fédération et qu'on demande à ce monsieur encore de suivre des bâtiments. Vous ne pensez pas que Yaoundé doit être sur le terrain à côté de l'entraîneur c'est ça sa force. C'est dans le domaine du football qu'on a besoin de n'est pas dans le domaine des bâtiments. Parce que j'ai constaté quand euh, Chemo, l'empereur partait avec son équipe euh, euh, en Corée. Mais M. Kamfideni n'a pas donné coup de main à son frère. Pourtant, Sommel a joué avec nous. Et arrivé en Corée là-bas, ce monsieur lui demande d'aller parler aux joueurs. Vous pensez que c'est sérieux Il n'a aucun droit de descendre parler aux joueurs. Il va leur dire quoi il devait les aider du jour où ils ont commencé les entraînements jusqu'au départ parce qu'il était parti avec eux. Mais il est parti faire quoi Moi, à sa place, je ne partais pas. Cela veut dire que vous n'êtes pas impliqué On n'est pas impliqué, vous aussi. Mais écoutez, vous pouvez amener un entraîneur de 20e degré. Si sa capacité d'entraîner n'est que sur l'argent qu'il peut percevoir, mais il n'aura aucun euh, résultat. C'est le travail qui paye, je vous ai dit. Les primes, là, quand tu n'as pas joué, tu n'as pas gagné, tu peux attendre à, quelle prime Même les frais de déplacement, c'est même une honte quand tu dépenses ça. Vous voyez Ça veut dire que les anciens joueurs, leur rôle, c'est d'être des conseillers, des CTR, conseillers techniques régionales. On pouvait, si l'empereur était là, j'allais pas. En 99, quand l'empereur a senti que ses anciens joueurs étaient délaissés, il était directeur technique il a proposé au président Him d'aider ses anciens en leur fermant comme entraîneur. Dieu merci. On a passé le premier degré en 1999. Les autres ont passé le deuxième degré parce que moi je roulais. On a donné, sacrifié toute notre jeunesse pour ce pays. Donc on travaillait. Dites-vous bien ce que vous avez oublié de mentionner, que les joueurs de maintenant ne travaillent pas. Nous, on travaillait d'abord. Ce n'est qu'à 18 heures qu'on partait. Dans l'administration. Dans l'administration. Et dans le, privé. Et des élèves. Voilà pourquoi beaucoup d'élèves n'ont pas réussi en ce moment. Et dans, le privé, tu penses qu'un joueur qui fait un mois de stage ou deux mois dans le privé, quand il revient, quatre mois, le 13e mois, absent, sport, absent, sport. Mais on te chasse. Adovi travailler à la mantention. Garbo Campidini, tous, ils ont été chassés par euh, <laughs> leurs leur, employeur. Oui. Ils, ont, sont devenus des chômeurs. Donc après, c'est comme ça. Aujourd'hui, le frère euh, Ablaziz m'a fait comprendre que les joueurs là sont payés et tout. Voilà. Ils peuvent réclamer leur salaire et tout. Mais nous, on partait travailler d'abord et venir. Donc si aujourd'hui, le ministère et la fédération arrivent à prendre ces anciens joueurs, au niveau du ministère, c'est de leur faire une porte au niveau de l'INGS. Ah oui, on a passé par les bancs. Donc ces anciens joueurs sont un peu outillés. Ils ont la matière en eux. Donc il faut les outiller là-bas. Ablaziz Saka, au plan international, l'Argentin euh, Lionel Messi a remporté lundi son sixième ballon d'or. Votre commentaire <laughs> Je pense que l'excellence a été célébrée. C'est tout. C'est un joueur qui est très constant, notamment au niveau de son club. Il fait beaucoup de belles choses avec ce club-là le dernier, le dernier match, j'allais dire, euh, du, FC Barcelone face euh, au madrilène de l'Atlético euh, nous a tous fait voir combien l'équipe du FC Barcelone dépend de ce monsieur-là. Lionel Messi. Lionel Messi. Or, aujourd'hui, on dit que le FC Barcelone est la meilleure équipe au monde. Si la meilleure équipe au monde dépend à 99% d'un monsieur, c'est que le monsieur-là et certainement <laughs> le, meilleur joueur du monde. Donc naturellement, il a remporté son trophée. Après, il y a des débats qui se font autour, disant que euh, Mané devrait euh, être également un des... Mieux classé Ou mieux classé que Messi. Non, je ne pense pas. Mané a fait une très belle saison. Maintenant, il faut qu'elle continue. Mais, mais est-ce que objectivement, euh, Mané devait occuper la quatrième place Non, non. Euh, ça nous prouve également que le Ballon d'Or, en réalité, risquera dans les années à venir perdre beaucoup de sa crédibilité. Parce que si on classe Messi, parce qu'il a remporté tel trophée, tel trophée, tel trophée, il a marqué tel but, tel nombre de buts, tel nombre de buts, il a fait tel nombre de passes décisives, premier, et quand classe un défenseur deuxième, je me demande combien de buts il a marqué, combien de passes décisives il a réussi même si par ailleurs il a, réussi euh, la Champions League qu'il a gagné avec, avec Salah et Mani, qui eux ont réussi à marquer beaucoup de buts, plus que beaucoup d'autres attaquants. Donc là, euh, le classement de, Van Dijk à la deuxième position, je pense que ça gâte un peu ou ça entache un peu la crédibilité euh, du Ballon d'Or. Et ça revient à, ça nous ramène à la question que les gens se sont toujours posés Quels sont réellement les critères sur quelle base on, nomme ces gens-là meilleurs joueurs ou deuxième ou troisième. Sinon, pour, le cas de Messi, moi je suis supporter du Real de Madrid, donc fan de, Cristiano Ronaldo, mais je reconnais à ce monsieur toute sa qualité parce qu'avant tout, je suis amoureux du ballon. Yamila Fergani, rapidement, vos conseils, recommandations, propositions de solutions pour la renaissance du football nigérien Moi, je pense qu'il faut travailler euh, à la base, euh, il faut travailler sur, les championnats, euh, mettre en place tous ces championnats avant, les, seniors, tout ce qui est mini, cadet, etc. Euh, il faut travailler sur les, formations à la, base, les pépinières, et avoir, au niveau même de la fédération, avoir une meilleure gestion des ressources humaines et des ressources financières. Face aux enjeux et les multiples défis à relever pour l'émergence et le rayonnement du football nigérien, l'État est appelé à débloquer de gros moyens afin de redonner du sourire aux supporters et les fans du ballon rond nigérien. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir la sportive Jamila Ferjani qui soutient sans jamais se fatiguer, se décourager les athlètes euh, toutes disciplines confondues. Nous avons également Kibril Djambala Dinavajo, ancien joueur de l'équipe nationale Lumina et Abdelaziz Saka, journaliste sportif. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 41 radio partenaires. Merci, au revoir.